le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangu au micro yubaka Ayubakaka. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz et en 100 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Tirozerine, Magaria, Meneseroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Notre page Facebook Studio Kalangu. Notre site internet www.studiokalangu.org le franc CFA, qui signifie à son origine en 1945 des colonies françaises d'Afrique, est le nom de deux monnaies communes à plusieurs pays d'Afrique constituant en partie la zone franc. Le franc de la communauté financière en Afrique émis par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour les huit États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le franc de la coopération financière en Afrique émis par la Banque des États de l'Afrique centrale pour les six États membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. En Afrique, les zones par catégorie de francs constituent des espèces, des espaces du moins monétaires et économiques. Ces ensembles formés d'États et de territoires sont issus de l'évolution et des transformations de l'ancien empire colonial français et d'États qui n'étaient pas des colonies françaises comme le Cameroun, le Togo, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Après l'accession à l'indépendance, la plupart des nouveaux États sont restés dans un ensemble monétaire homogène dont le cadre institutionnel a été rénové et qui a été structuré par un système de change commun. Leurs devises sont des contre-valeurs à parité fixe avec l'euro, dont la valeur est garantie par le Trésor public français dans le cadre du traité de Maastricht Aujourd'hui, une polémique s'est installée sur le maintien de cette monnaie. Ses détracteurs y voient un vestige du colonialisme et une entrave au développement. En 2015, Kako du moins ça, le ministre togolais chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques sème la discorde en critiquant ouvertement la BCAO. En août 2015, c'est au tour du président tchadien Idriss Déby d'appeler les pays africains à sortir de la zone franc CFA. Nos invités pour discuter justement de cette question, Laoli Adamou, acteur de la société civile. Laoli Adamou, bonsoir. L'économiste Sherif Chakou, bonsoir. Bonsoir. Le franc CFA joue de la libre convertibilité, rendant l'échange constamment possible à ce cours entre toutes les monnaies, cette libre convertibilité devient une arme à double tranchant car imprimer du franc CFA équivaut à créer du franc français. La Banque de France aura donc pour tâche de surveiller au plus près les politiques monétaires des trois banques centrales africaines et, comoriennes. Cette prééminence passe par l'engagement de la Banque de France de fournir en cas de besoin des devises aux trois banques centrales si celles-ci épuisent leurs réserves. En fait, elle s'engage à combler les trous. Pour mieux exercer son contrôle, la Banque de France fait centraliser les réserves de change auprès du Trésor français qui détient donc un compte d'opération au nom de chacune des banques centrales. Ces comptes pouvant être débuteurs ou créditeurs, ils génèrent des mouvements d'intérêt. Le président Déby disait ceci, l'Afrique, la sous-région, les pays africains francophones aussi ce que j'appelle la coopération monétaire avec la France, il y a des clauses qui sont dépassées. Ces clauses-là, il faudra les revoir dans l'intérêt de l'Afrique et dans l'intérêt aussi de la France. Chérif Chako, que pensez-vous euh, Merci d'abord pour nous avoir invités à ce débat et je suis très heureux de faire ce débat avec un acteur de la société civile très bien connu et sur cette question extrêmement importante que concerne la monnaie. La monnaie, c'est l'instrument de souveraineté. La monnaie, c'est un instrument social. La monnaie, c'est aussi un instrument économique. L'économie étant la manière dont les hommes vivant en société s'organisent pour produire, échanger avec ou non usage de la monnaie des biens et services rares destinés à leur consommation. Donc la monnaie, généralement, on lui attribue trois fonctions et qui sont essentielles. Et je dirais, si le président débit a insisté là-dessus. Uh-huh. Il a raison d'insister. Mais peut-être euh, la manière dont on va voir au cours du débat, il faudrait euh, que les uns et les autres euh, prennent leurs responsabilités. J'allais dire, il n'est jamais trop tard de prendre sa responsabilité. Et comme vous l'avez dit, c'est un couteau à double tranchant. Ah il faudrait de manière non pas seulement polémique, mais de manière très responsable, euh, définir une monnaie qui va assurer les trois fonctions. Un, unité de compte. deux, facilitateur d'échange, moyen d'échange. Et trois, réserve de valeur. Il faudrait aussi, en toute responsabilité, que nos États puissent euh, gérer la politique économique, c'est-à-dire la monnaie à travers la zone qu'on aurait créée uh-huh. pour pouvoir euh, faire face aux besoins des populations d'abord. Donc euh, je crois que c'est un débat extrêmement important. La monnaie a un rôle social, elle a un rôle économique, mais aussi de ces deux rôles dépendent le développement et l'avenir de tout pays. Donc je crois que c'est un débat qu'on aurait pu faire beaucoup euh, plus tôt que maintenant où les crises euh, économiques euh, service dans les différents pays. Mais il n'est jamais trop tard pour pouvoir le faire. D'accord. Laoulé Adamou, vous êtes acteur de la société civile. Vous avez entendu donc les propos du président tchadien Dabi. Euh, début du mois, quel est votre avis Est-ce que vous partagez cette opinion <clears throat> Tout d'abord, merci de nous avoir invités sur ce plateau pour échanger avec le grand frère et de cette euh, question du franc CFA, une question qui fait couler beaucoup d'encre depuis un bon bout de temps dès que vous savez que cette monnaie, c'est une monnaie française qui est soumise euh, à la zone d'Afrique. Tous les pays africains travaillent aujourd'hui avec cette monnaie et que ça fait un bon bout de temps que certains pays s'insurgent contre cette monnaie parce que c'est une monnaie qui ne fait pas du tout aujourd'hui l'aval de tous les pays africains je pense que les propos du président Idriss Déby sont des propos à soutenir, mais à soutenir avec beaucoup de prudence parce qu'on doit faire une analyse au fond de ce que vraiment on va créer, même s'il faut sortir une unité de monnaie pour la zone Afrique. Maintenant, il faut que la zone Afrique, tous les présidents de cette zone Afrique puissent eh, se soir une politique d'échange, une politique de débat, une politique de discussion pour voir est-ce que la monnaie unique qu'on va créer pour la zone Afrique ne va pas amener d'entorse aux, euh, aux exploitants, c'est-à-dire euh, aux échanges <clears throat> sur le terrain. Comme l'avait dit le grand frère, vous savez que la monnaie, c'est une monnaie d'échange, une monnaie euh, vraiment de substance parce que tout ce que vous allez faire, euh, vous allez utiliser cette monnaie. Donc je pense que vous savez, même le franc CFA aujourd'hui, quand vous prenez en Afrique, il y a des pays où nous avons la même monnaie, mais que nous avons des difficultés à dépenser par rapport au change à l'échange. Donc je pense que si les États africains ont pu euh, raccorder leur euh, leur jalon et pouvoir créer une, une, une, unique unité de monnaie qui ne va pas causer de problèmes au cours du déplacement des Africains, ça serait vraiment la meilleure solution pour les pays africains que de continuer toujours à gérer cette monnaie française qui aujourd'hui, c'est comme si nous sommes toujours sous le poids du colonialisme français et que nous n'avons pas notre indépendance. Je pense que vraiment, et c'est euh, pas tard on n'est jamais tard que jamais, mais je dis on a besoin vraiment de prendre cette idée du président Idriss Déby pour la ramener au fond dans les débats avec vous les médias pour qu'on puisse aider aujourd'hui les dirigeants africains à trouver une solution concrète qui ne va pas vraiment du tout amener en torse à la population africaine même si par ailleurs cette monnaie puisse être créée. Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui de, de poser ce débat quand on sait la crise économique que traversent tous les pays Bon, de toute façon, moi je pense que ce débat n'est pas à exclure. C'est un débat qu'il faut réfléchir là-dessus et de le poser. Parce que quelle qu'en soit cette crise, euh, nous, nous pensons que c'est temporaire. Parce que ça concerne tout le, ça concerne le monde entier et c'est une crise temporaire, ça va passer, c'est un temps, ça va passer. Et quand ça va passer, peut-être maintenant, ce que nous allons accoucher de nos différents débats, nous allons le capitaliser pour pouvoir le mettre en application et pouvoir aboutir aux objectifs que nous comptons atteindre par rapport à la création de cette monnaie unique africaine. D'accord. Chérif Chako, Idriss Déby a ajouté ces clauses. <clears throat> ces clauses tirent l'économie de l'Afrique vers le bas. Ces clauses ne permettront pas de se développer avec cette monnaie-là. Oui, c'est vrai, on peut voir les choses. Vous savez, souvent, on peut voir un verre à moitié vide et un verre à moitié plein comme ce que euh, notre ami vient de dire, il faudrait vraiment, sans beaucoup de passion, c'est une question vitale, importante, cruciale, qu'il ne faudrait pas aborder comme ça tout de go uh-huh. euh, de, de, cette manière. Euh, je m'excuse de le dire de cette façon, la monnaie reflète les niveaux de développement d'une zone. Mais aussi la monnaie reflète les capacités de gestion des pouvoirs publics. Aujourd'hui, ramener la gestion totale de la monnaie sans transition au pouvoir public, il faudrait mettre des garde-fous. Euh, peut-être on va revenir dans les débats, mais je voudrais revenir sur euh, quelque chose dont euh, je voudrais en parler. Hein? La monnaie dans une zone, dans les deux zones, parce que euh, la configuration, c'est de faire la zone BCAO actuelle et la zone euh, BEAC, ah l'Afrique centrale. Euh, mais comme vous le savez, la zone euh, BCAO a une, un chantier, je dirais, en cours pour pouvoir même élargir la monnaie unique au niveau de la CDAO. Donc ça voudrait dire que le schéma euh, sorti francophone seulement, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest francophone, euh, les anciennes colonies françaises et l'Afrique centrale ce schéma, il est même dépassé ou bien il est différent du schéma dont notre chef d'État a été désigné avec le président ghanéen pour pouvoir réfléchir sur la avoir zone, les, sur la, zone, CDAO, Donc, euh, il faudrait euh, vraiment aborder cette question dans le cadre de l'intégration économique. De l'intégration économique. Tant qu'il n'y a pas une intégration économique viable, tant que les personnes même ne peuvent pas circuler d'un pays à un mhm. autre, tant que les marchandises ne peuvent pas circuler d'un pays à un autre, tant que les politiques eh, ne sont pas convergentes, il serait vraiment un peu difficile de prévoir une monnaie viable sans ces conditions. Or, euh, donc je vous dis, il y a d'abord un schéma francophone, euh, un peu pour pouvoir sortir de l'ornière française euh, en voyant les écueils et la recherche noble, je dirais la recherche noble de la souveraineté quand il faut chercher la souveraineté, il faut la chercher de manière totale, de manière à ce que euh, nous n'ayons pas, je vais utiliser le syllogisme euh, de nos langues nationales, il ne faudrait pas qu'en sortant, nous ayons honte. Il faudrait vraiment réfléchir. Et la condition, moi je crois qu'il faudrait prendre, c'est de renforcer les marchés communs, c'est-à-dire les différentes formes d'intégration, où Bella Belassa se servant de l'exemple de l'Europe, de l'Europe, euh, elle il a émis cinq étapes. D'abord, c'est la zone de libre-échange, où il y a des facilitations d'échange entre pays. Hein? Donc euh, ça, les pays de l'UEMOA peuvent bénéficier de cela. Et la monnaie peut aider. La monnaie peut aider. Il y a l'union douanière où il y a un tarif extérieur commun, le TEC. Depuis 2000, on a eu un tarif extérieur commun, par rapport aux autres. Il y a le marché commun. Au-delà du tarif extérieur commun, on permet la libre circulation des personnes. Qu'est-ce qui utilise la monnaie Ce sont des personnes qui utilisent la monnaie. Si dans ces pays de cette zone, quelle qu'en soit la configuration, pour la CDAO, il y a un passeport CDAO mais malgré le passeport CDAO, souvent on a des difficultés à circuler. Les citoyens CDAO ne circulent pas librement. Donc il y a la quatrième étape, c'est l'union économique, où on a des critères de convergence. On l'a avec euh, l'UEMOA, euh, ça marche tant bien que mal, euh, ne serait-ce que pour l'introduction, par exemple, de la TVA, du niveau d'investissement, etc. Donc, il faut qu'il y ait une sorte de convergence pour que cette monnaie qu'on va créer au nom de la souveraineté et pour qu'on n'ait pas honte en quittant, euh, parce que peut-être là où on a quitté, il risque de ne pas nous faciliter la tâche. Il faudrait que les uns et les autres prennent conscience et prennent leurs responsabilités pour pouvoir avoir une monnaie. C'est une très bonne chose. La dernière étape, c'est la monnaie unique. Donc, inutile de dire, c'est un truisme de dire aujourd'hui, même l'euro connaît des difficultés. Mm. Même l'euro connaît des difficultés. Donc, euh, la question monétaire c'est une question fondamentale, c'est une question vitale, c'est une question cruciale qu'il ne faudrait pas aborder seulement avec passion. Et c'est pour cela, lors d'un débat à la radio Ténéré, avec un de vos collègues, où on a lancé Mamansani, on a lancé, euh, personnellement j'ai lancé, il faudrait populariser ce débat. Vous prenez la population de DIFA avant la crise et même pendant la crise. Il y a diverses monnaies. Vous allez trouver le franc de la de CFA de l'Afrique centrale. Vous allez trouver le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez trouver la Nera. Vous allez trouver le dinar. Vous allez trouver le franc libyen. Et la population arrive à s'accommoder et à harmoniser les échanges. Les échanges. Donc si la population a pu faire cette euh, convertibilité et avoir des réserves de valeur et avoir des unités de compte par rapport à plusieurs monnaies, et d'ailleurs, euh, le président de la République, euh, le comité qui a été commis entre deux monnaies, il peut y avoir les moyens pour y parvenir à une monnaie unique. C'est aussi, il euh, n'y a pas grande différence pour pouvoir parvenir à une convergence pour avoir une monnaie unique avec deux ou plusieurs monnaies. Donc là, on a un espace où on a une démonstration des faits mais maintenant être encore souverain de sa politique économique, c'est extrêmement important au-delà de cet aspect de, euh, d'intégration ou bien d'intégration des différents degrés d'intégration. Euh, est-ce que ces pays ne risquent pas de mettre la charrue avant les vœux euh, quand on sait que tous ces cinq aspects qui doivent normalement conditionner cette transition vers, vers une monnaie unique de, tous ces pays africains, euh, euh, ces points ne sont pas effectifs. Quand on voit dans la pratique, ils ne sont pas effectifs. Oui, ils ne sont pas effectifs, mais ça n'a jamais été effectif. Je vais vous dire, pour le mois, pour l'Union européenne, ils ont atteint le cinquième stade, c'est au cinquième stade qu'ils ont eu la monnaie unique. Mais pour le mois, on a eu ce stade avant le quatrième stade, avant même le troisième stade de, de Bela Balassa. Donc ce que je voudrais dire, mettre la charrue avant les bœufs, moi ce que je voudrais dire, il faut avoir une bonne charrue et de bons bœufs. Les mettre, <laughs> ce n'est pas un problème. D'accord. Donc mon, souci, c'est vraiment d'avoir de bons bœufs et de, de bonnes charrues et on va les mettre, ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas une panacée. Aujourd'hui, vous avez le Brexit. Et jusqu'à présent, la population européenne, euh, vous avez parlé de Schengen. Mais avant Schengen, il y avait eu une consultation populaire avec la population. Ce n'est pas une décision qui vient seulement d'en haut. Et avec le Brexit, il y avait eu aussi une consultation. Dans tous les cas, l'Angleterre avant même ne s'était pas reliée à l'euro, la monnaie en tant que telle. Donc vous voyez, le débat n'est pas aussi euh, un débat uniquement sur changer la monnaie ou bien quand changer la monnaie, mais c'est sur les fondements comme ce que euh, mon ami a dit, il faudrait profondément euh, discuter cette, euh, cette question et je serais d'avis d'élargir mon appel aujourd'hui, de le faire au niveau de la population en langue nationale, euh, parce que la, population, quoi qu'on dise, elle utilise aussi la monnaie. Elle utilise aussi la monnaie. Moi, je m'en souviens quand j'étais en année de thèse, à la Sorbonne, quand j'étais en année de thèse, je donnais certains de mes exercices de DEA à quelqu'un qui n'a pas été à l'école, mais qui faisait euh, le commerce entre le Niger, le Nigeria, et il partait à Dubaï. Lui, il connaît les questions monétaires en, en tant qu'unité de compte, en tant que réserve de valeur, et en tant que moyen d'échange. D'accord. Laoli Adamou, en quoi cette monnaie constitue un vestige du colonialisme et comment peut-elle euh, continuer à entraver le développement de l'Afrique <coughs> Bon, en fait, euh, cette question de monnaie, vraiment, c'est une question très allergique. Parce que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, changer une monnaie, c'est vrai, on peut faire mais ce n'est pas un petit travail et ce n'est pas un travail de temps, d'un petit temps. C'est longue haleine. Parce que tout le problème maintenant doit être centré au niveau de la, de sensibilisation de cette population cible. Parce que si vous vous rappelez, il y avait eu des billets de 100 francs. Des billets de 100 francs. Moi, je les ai connus dans les années 78. Ah mmh. Il y avait eu les changements des billets de 500 qui avait amené tous les problèmes. Il y avait eu les changements des billets de 1000 francs dont les gens avaient stocké des centaines de millions dans leurs chambres, mais finalement qu'ils ont perdu parce que à un moment donné c'était clôturé, les banques ne prennent plus les changes. Donc tout cela a fait grande entorse et ça a mis beaucoup de gens, de nos commerçants qui sont au village en faillite parce qu'ils ont gardé des centaines de millions de ces anciens billets et qu'ils n'ont pas pu liquider, tout simplement pourquoi Pour raison de communication pour raison de sensibilisation. Parce que normalement, les États, avant de procéder à de tels euh, changements, ils doivent faire la politique de la communication et de la sensibilisation au fond vers la population cible, la population la plus concernée. Aujourd'hui, comme l'a dit le grand frère Adifa, vous avez pratiquement quatre sortes de monnaies. Et quand vous partez vers euh, le nord, en partant à la Libye à partir de Medougri, vous allez trouver aussi eh, la monnaie camerounaise qui est là. Hmm? Donc, ce qui veut dire que nous sommes dans une situation où la, population qui utilise cette monnaie du franc français sera dans, euh, euh, dans, dans, des difficultés de choix. D'accord. Est-ce qu'il faut quitter cette monnaie parce qu'elle constitue, elle reflète un peu le colonialisme mais Elle reflète le colonialisme, mais c'est difficile. On ne peut pas la quitter facilement, je vous dis, parce que ça aura beaucoup d'entorses pour nos populations, surtout pour nos paysans qui sont dans les villages. On peut la quitter, mais je dis on ne peut pas la quitter facilement comme ça. Il fallait peut-être faire une simulation une transition où on va prendre une certaine monnaie unique à quelque part pour voir comment la population peut l'accueillir et faire un sondage pour trouver eh, un degré par rapport auquel vraiment les pays africains vont s'asseoir pour dire que ah, si on pratique ça, ça va arranger nos populations. D'autre part, il faut faire attention. Les Français aussi, ils peuvent s'opposer contre cette monnaie. Hein, parce qu'ils vont dire que les Africains sont en train de vouloir les quitter pour être indépendants d'eux-mêmes qu'ils veulent changer leur monnaie pour avoir leur propre monnaie africaine. Et qu'est-ce qui va arriver Quand vous voyez les produits, les articles, la matière, la majorité de fabrications, ce sont les, les pays occidentaux. Hein? Donc, si nous partons avec cette monnaie africaine là-bas pour faire les échanges, les achats, qu'est-ce que ça va devenir pour nous est-ce que ça sera facilement accepté ou bien il faut mettre ça dans une autre banque pour la transiter, pour la reconvertir avant d'aller eh, eh, acheter les produits en Europe Et s'il faut le faire, vous pensez que les, Français ne vont pas taxer beaucoup les, commissions de change par rapport à, cette, monnaie. À cette monnaie. Et si ça, ça s'avère comme ça, c'est comme si donc la monnaie africaine va être comme le CIDI. Le CIDI du Ghana, quand vous prenez, c'est tout un sac que vous prenez, mais ça ne fait pas sans 100, et là, c'est un problème qu'on va avoir encore et que la population n'arrive pas à gérer. Moi, je dis, on peut tout faire, mais quand même, il faut aller faire une sensibilisation. Il faut aller faire comme un référendum. Hmm? Il faut vers la population, il faut créer un référendum, que tous les pays africains puissent créer des textes, puissent créer eh, une stratégie d'ensemble pour aller vers la population le plus fond profond possible et demander qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis amener même des, petits trucs d'exemple pour essayer de juger, de jauger la capacité de nos populations à comprendre le changement qui va intervenir. Sinon, on risque encore de retourner à la case départ, comme l'a dit le ministre, et est-ce qu'on n'aura pas honte quand on va échouer Et quand on va échouer, qu'est-ce que nous pensons de ces Français par rapport à cette monnaie française que nous voulons abandonner pensez-vous qu'il n'y aura pas de conséquences sur les pays africains Il y aura des conséquences. Et ces conséquences, on va les sentir jusqu'au fond. Et ça ne va pas faire du bien vraiment à notre population qui utilise la monnaie française pour aller faire leurs transactions. C'est pour ça que nous nous disons, vraiment, c'est très bien de réfléchir par rapport à des thématiques comme ça, mais il faut vraiment un grand travail de fond. Il faut des analyses, il faut des experts Hmm? C'est pas comme ça qu'on va se lever un bon matin sans analyse, sans euh, euh, critique. On va sur le terrain, on dit ah on accepte parce que tout simplement on veut faire la chose et qu'on part à l'échec. Non, s'il faut partir, il faut partir avec une idée de réussite et qu'il faut partir avec vraiment une idée de dire que quand on va aller attaquer euh, l'abandon du franc français pour avoir le franc unique, la monnaie unique africaine, on va réussir. Et ça aussi, je dis, les Français aussi de l'autre côté ne vont pas laisser nos dirigeants africains. Parce qu'il y aura qui vont infiltrer nos dirigeants africains pour ne pas pour faire croire que vraiment qu'ils ne seront pas d'avis avec eux par rapport à certains investissements et par rapport même à certaines remises qu'ils vont avoir sur leurs produits. Et tout ça, c'est vraiment un problème qui sera créé et nous aurons des problèmes de transaction des matières et des produits européens vers l'Afrique. Vous voyez, même si vous partez dans les banques, même les grandes banques, quand vous une banque centrale, avec la monnaie africaine, vous aurez des difficultés d'échange, ou bien même ce que vous pensez avoir, le revenu va être euh, un peu à la baisse de vos attentes et ça ne va pas arranger vraiment euh, les pays africains. C'est pour ça que je dis, c'est quelque chose qu'il faut, euh, c'est une question vraiment très, très critique. D'accord. On revient à vous, Monsieur Cherif Chakou. Pour, pour la France, quelles seront les conséquences économiques et politiques si tous les États africains dépendants du franc CFA créent leur propre monnaie Oui, bon, euh, pour la France, je vais revenir d'abord sur peut-être ce qui est fondamental de ce retrait de, de la zone franc et du CFA. Oui. C'est plusieurs fois revenu. Et je voudrais vraiment qu'on n'analyse profondément cela, sans état d'âme, le colonialisme, aujourd'hui il est appelé néocolonialisme. je vous serez surpris que d'entendre, pour ma part, ma petite analyse, le néocolonialisme existe beaucoup plus dans l'esprit des intellectuels ou des diplômés que des paysans. Donc il faudrait faire attention. La connexion qui existe entre cette classe, j'allais dire notre classe <laughs> en tant que telle, et eh, il y a une déconnexion aussi mm-hmm. avec la population de base. Il faut vraiment analyser profondément les structures sociales. Et c'est pour cela qu'on avait eh, proposé à la radio Ténéré avec Maman Sani, quand il nous a invités, qu'il y ait une rupture totale et non une rupture formelle. Que les gens comprennent le combat à faire et les sacrifices à faire pour ne pas faire marche arrière. Donc le colonialisme, il a pris d'autres formes. Euh, Sankara, paix sur son âme, il dit l'impérialisme, là, ça y est, dans vos tasses. C'est souvent ce qu'on oublie. Mm-hmm. Et l'autre aspect, et c'est vrai, la France peut perdre son influence, ne serait-ce que ne gérant plus maintenant le compte des opérations, parce que ça peut produire des intérêts à sa faveur comme ça peut ne pas produire des intérêts à sa faveur. Parce que l'arrimage à l'euro c'est quand même curieux qu'il existe une zone franc sans le franc. Oui. Il y a une zone franc sans le franc. Donc nous, on est arrimé à l'euro par le biais du trésor français. Donc qui dit trésor dit quand même un élément de souveraineté. Et ça euh, pourrait être écorché de part et d'autre. Ah de part et d'autre, compte tenu des liens ombilicaux qui existent, euh, qu'ils soient favorables ou défavorables à l'Afrique. Il faudrait faire une sorte d'analyse euh, profonde, en toute liberté, pour pouvoir avoir la souveraineté. Et l'esclave qui refuse de de s'affranchir, mhm. ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et moi, j'ai entendu le président français, Macron, dire, mais écoutez, euh, je le cite en filigrane, il y a Madagascar et d'autres pays qui se sont libérés, mais il faudrait arrêter de faire toujours la référence euh, à, au système français, il faudrait que nous-mêmes, on ait notre propre système pour pouvoir nous libérer, et surtout dans le cadre de la mondialisation. J'allais ajouter, il faudrait aller très rapidement dans cette notion de zone monétaire optimale. La zone monétaire optimale, c'est un espace géographique caractérisé par un régime de change fixe, c'est-à-dire pour ses échanges internes, et un régime de change flexible pour ses échanges extérieurs. Naturellement, cette monnaie, il faudrait que sa convertibilité soit par rapport au dollar et autre chose par rapport au yuan pour la par rapport au yen le yuan c'est la monnaie chinoise je cite la, la Chine le dollar l'euro parce que aujourd'hui ça fait partie des puissances économiques par lesquelles il faudrait faire face dans le cadre d'une euh, convertibilité. Et si on a une zone monétaire optimale, mhm. et une zone monétaire optimale se définit en fonction des objectifs macroéconomiques pour pouvoir euh, avoir le maintien de l'équilibre interne, mhm. mais aussi ça soit une combinaison avec euh, inflation et chômage. Et la monnaie, c'est-à-dire la gestion, on n'a pas encore parlé de la politique économique, euh, monétaire, de, la politique monétaire au sens structure sensus, pour voir le rôle de cette banque centrale. Parce que le rôle de cette banque centrale est aujourd'hui plus ou moins partagé avec euh, le compte des opérations, mais je voudrais bien voir. Et moi, en tant qu'Africain, en tant que Nigérien, je voudrais une monnaie où j'ai la souveraineté. Souvent, on me demande, êtes-vous pour ou, contre Non, je veux une monnaie. Je veux une monnaie où je serai souverain. D'accord. Pas seulement par rapport à la France, mais par rapport à toutes les autres zones pour que dans le cadre de la mondialisation, je puisse, que je puisse bénéficier d'une zone monétaire optimale. D'accord. Lola Adamou, en 1962, le Mali quitte cette monnaie ainsi que le Madagascar en 1973. Mais rapidement, ces deux pays se retrouvent avec de sérieuses difficultés économiques et le Mali finit par réintégrer le système en 1984. Cette expérience finalement servit à renforcer la cohésion des pays membres, ceci ayant vu que la liberté monétaire euh, pouvait surtout être la liberté de, faire faillite, même si la Guinée de ségou garde toujours sa propre monnaie, le CDI. Peut-on craindre une telle situation aujourd'hui encore Je vous ai déjà dit ça tout à l'heure. J'ai dit tout ce que nous créons, c'est de ne pas créer la honte, aller et puis revenir. Parce qu'aujourd'hui, je dis, et c'est vrai, on peut créer la monnaie unique africaine. Mais quand on se réfère à d'autres pays qui ont tenté eh, eh, l'aventure et qui sont revenus, on peut se poser la question de dire est-ce que ça va arranger l'Afrique Mais si c'est un mouvement d'ensemble, un mouvement d'ensemble que tous les pays africains, que ce soit les pays africains francophones et les pays africains et anglophones qui se retrouvent pour faire une seule monnaie unique, je pense qu'ils peuvent se défendre. Et maintenant, le franc français est obligé de disparaître à la place de, de cette monnaie unique africaine. Mais les conséquences, c'est-à-dire que les conséquences, il faut toujours les voir les conséquences, c'est la chute de la monnaie. Parce que les Français peuvent maintenant imposer un système où vraiment cette monnaie africaine-là, même si elle va au niveau des banques centrales, elle n'est pas la même, euh, le même poids qu'avant quand on utilisait le franc français. D'accord. S'il reste avec le franc CFA, quelle doit être la solution pour garantir leur développement Bon, j'ai dit quand ils restent avec le franc CFA pour euh, garantir leur développement, peut-être c'est de changer euh, une stratégie ou bien de chercher à remodérer et le système d'exécution avec les, les, banques monétaires. S'ils arrivent à trouver cette solution, je pense que ça va arranger le développement de l'Afrique. D'accord. Chérif Chako Oui. moi, moi, moi, je crois, vous savez, cette question, elle est très simple. Il faut prendre un billet, non pas un billet aller-retour. <laughs> C'est-à-dire un aller simple. Oui. et il faut euh, savoir quelle est la destination mhm. et quel est l'objet de notre euh, voyage. Parce qu'on ne peut pas voyager sans objectif. Euh, mhm. Donc définitivement, il faut prendre un aller simple. Mais il faudrait préparer un voyage pour que le voyage ne soit pas désastreux. Eh, il faut savoir, en prenant un aller simple, que ce soit par la voie de la route, euh, que ce soit en air ou en mer, il aura des en il aura des zones de turbulence. Il ne faudrait pas encore crier, crier, il ne faudrait pas revenir, ne serait-ce que pour les générations futures. je crois c'est le dernier appel, Tiken Fajakoli, mais c'est un appel responsable et non un appel dans la tête. Euh, on a des rudiments. On a des rudiments théoriques, on a des rudiments techniques, mais il faudrait fondamentalement avoir des rudiments de leadership et des des rudiments de vision pour se libérer. L'Afrique, avec ses richesses, avec ses ressources, avec ses hommes, ne mérite pas le niveau de développement qu'elle a aujourd'hui. D'accord. Et je vais, excusez-moi, je vais faire un parallèle à un certain moment donné, on, parle de la démocratie. Vous voyez, il y a beaucoup qui se demandaient est-ce qu'il faudrait instaurer la démocratie ou bien rester dans les partis. On a pris la démocratie. mais aujourd'hui, les écueils c'est un aller simple, mais y compris pour la démocratie. D'accord. Merci, Chérif Chako. Euh, en un mot, on peut résumer cet entretien sur le fait que la monnaie est un instrument de, souveraineté. souveraineté. Euh, elle reflète le niveau de développement d'une zone, mais pour aller vers justement euh, une monnaie de la zone Afrique, il faut un travail de fond sur cette question. Nous avons reçu sur ce plateau euh, Laoli Adamou, il est acteur de la société civile, et Shirif Chako, économiste. Merci donc euh, d'avoir accepté donc d'être l'invité de ce forum. Prochain rendez-vous demain mercredi à partir de 18h15 avec Rayla Soumana sur la question du paludisme. Merci et au revoir.